Euh, Monsieur le Président, permettez-moi, à l'entame de mon propos, de présenter mes condoléances les plus sincères au peuple, sénégalais et à la population sénégalaise suite aux manifestations qui se sont succédées au Sénégal, qui ont entraîné la perte de 12 vies humaines. Je pense que cette perte mérite bien vous méritez auparavant une minute de silence de votre part en tant que ministre de l'Intérieur. Comme vous ne l'avez pas fait, je vais le faire à votre place, de par mon temps, par les hommages de ces parents qui ont perdu la vie de leurs enfants. J'ai en profité pour présenter mes condoléances à M. Chon Balagosek, un éminent parolier du Sénégal, un éminent homme de la culture euh, qui venait de nous manquer récemment au Sénégal. Je voudrais aussi en profiter pour présenter mes condoléances à M. le Président de l'Assemblée nationale et l'ensemble de ses collaborateurs avec le décès survenu de Monsieur Pap Mbeng, ancien collaborateur, de Madame Awo Diop, ancienne questeur, à l'Assemblée nationale. Un homme pieux, un homme généreux, un homme serviable qui a servi l'administration de l'Assemblée nationale jusqu'à, euh, on peut dire, sa dernière demeure. Il n'était pas présentement à l'Assemblée nationale, mais ses coups de fil pour la réorganisation ne nous manquaient jamais. Monsieur Pambeng est arraché à notre affectation, affection hier, euh, que la terre de Tengue lui soit légère. Euh, Monsieur le ministre, Mangalanu de l'Asia. Monsieur le ministre, euh, sama plat de bariwut ndax yow ku baax nga ndax xaali xañe nga xaali xañe nag bu ko gaa yi wax mooy ki nga xam lu ñëw mu xañ ko monsieur le ministre nga euh, euh, kii Euh, Karim Wad mu bok ci élection yi monsieur le ministre xañ nga Khalifa Sall mu bok ci élection yi légui nek nga ministre da nga bëgg xagn sénégalais ñu woté monsieur le ministre doonu ko xagn bayyi ñu woté décembre comme ça ñu mën la jappalé élection législative am am 2022 su ko défé yow nga mëna ñoo bok ci rang da na la yaatal ndax am nga xam-xam monsieur le ministre mënu nek C'est nag ndaxte élection yi dañ on war a lamb dañ koy teug ci heure ak date ak temps régler temps bi ba mat sëkk yam ci kep waaye monsieur le ministre baal xaali xañe bi yow tamit te monsieur le ministre dafa am article bi ci code électoral buy évoquer chaque fois ni que ni les listes électorales demeurent et doivent rester permanentes su fait l'eau lolu c'est appliqué à la charte je ne pense pas que à chaque fois on va nous revenir avec l'ouverture, la réouverture, le contrôle, je ne sais pas quoi. y a ay xeetu échappatoire la tous nos gouvernants y passent pour lancer prolonger euh, l'élection. ay élection gis un calendrier électoral monsieur le ministre fala la démocratie commence. di commencer dañ koy respecter un calendrier électoral dañ koy respecter Nous, c'est la base de la démocratie on ne peut pas renvoyer, re-renvoyer, re-re-re-re-renvoyer. À chaque fois, renvoyer. Monsieur le ministre, le concept, on vient de sortir des élections présidentielles. Il y a une leen tabax ba ngeen doon tabax sax far peinture gu leen ngeen bëggaat ubbiwaat des listes électorales dem defaat Madame, dañoo egg foo xam ne monsieur le ministre yaa ngi yaa ngi a une, jàppale euh, conseil municipaux yi ak conseil départementaux yi ci loo xamante ne jagut wóorut baaxul ndax riba la dafa araam ala riba saa ko defee lu ngeen lekk ci ci seen ci diggante bii rek gënul parce que riba la ndax nit koo xamante ne ña la faloon wóolootuñ la da ngaa war a wàcc tu fais ton rôle parce que tu as tué un soupe kanja mets rek.